Bonjour chers téléspectateurs de la banlieue production, nous avons l'immense plaisir euh, de vous retrouver encore une fois sur votre scène mère, la mère des scènes banlieue production. Aujourd'hui nous sommes à Yembel, fan mooy Yembel moi fi nga Canel daal fait fekk fi collège d'excellence Blaise Pascal collège d'excellence Blaise Pascal n'est école une école de haut niveau une école il a des élèves de bon niveau tay une journée euh, d'excellence, une cérémonie officielle avant cérémonie officielle ils ont fait des visites avec euh, les élèves de Canel. ils ont fait des visites fan ñu ne monument de la Renaissance ils ont fait des visites où ñu ne foofu la la et avant ça aussi dem nañ suivre le match retour Sénégal à Kingaham de Égypte, là où il y avait beaucoup de lagères. Je vous rappelle que c'était extraordinaire, mais nous avons top. Nous avons école. Des choses extraordinaires, des élèves de bon niveau. Ah, mesdames, messieurs, certains téléspectateurs, ça va se faire. Accompagnement, ce là la une série de Djagam. Waouh, Dylan Santu, aussi, des Bétiennes, euh, qui fait signifie. nga xam ne muy daara eh, ñi ciy jàng xam-xam ñun tamit ñu jógee ba Fuuta ñoo fekk suñu naataango yi nekk fii yore école ñun tamit ñu yor lu ñu yor eh, pour ñu mun a boole li ñu am ci xam-xam di ko weccante ak lu ñu am aussi ci doole di ci jàppante parce que bu leen fàttee eh, ñun ñaari école yëpp ay école privée lañ ñun ca Kanel lañ nekk dans la région de Matam ñu ñëw fekk si école bu Pascal bi fii saa ñun loolu ça nous fait que euh, dafa neex trop parce que nga xale yi ñu ngi nii gunge ma man tamit ma gunge leen ay gungelante la parce que mbokk directeur laa fi fekk si ak mbokk élève ñoom tamit ñu ànd ak seen directeur ñi fi nekk fi une semaine euh, di weccante ay xalaat di weccante ay xam-xam euh, di weccante ak aussi ay culture ndaxte bu leen fàtte aussi aada bi ci la bokk nit ki ñun bu ñu jëlee ci lu ñu ci ñoom mooy aada ba dara desatuñu donc vraiment kontaan rek ci lii tey. bu ñu venez de Kanel est-ce que Oui, nous avons visité, nous avons fait euh, le monument de la Renaissance, euh, nous avons fait le lac Lose euh, et nous avons fait aussi le centre culturel de Benabrak. ça, ça nous a marqué parce que vous savez très bien que nous, nous sommes du Fouta, nous sommes juste dans la région de Matam, plus particulièrement dans le département de Canel. nous avons des problèmes de bibliothèque. donc certes, oui, les élèves, ils apprennent, mais ils n'apprennent pas les œuvres, on prend des extraits de l'œuvre. Mais aujourd'hui, hier, les élèves étaient en contact avec les œuvres. Donc, donc ça euh, on peut dire qu'on peut remercier euh, le centre et remettre aussi les autorités de Yimbol. et Yeumbeul aussi nous inspire parce qu'il ne faut pas oublier aussi Yeumbeul regorge beaucoup pas mal de cadres et, les écoles de Yeumbeul tout le monde le sait parce que même le lycée de Yeumbeul il y a deux ans cela était le premier lycée au bac au Sénégal donc le fait de venir ici dans ce banlieue mais quel banlieue donc un banlieue qui a beaucoup d'intellectuels. Euh, un bon lieu. C'est un banlieue, bon lieu qui a beaucoup d'intellectuels. Donc là, euh, le fait de venir, ce n'est pas du hasard. Et à part visiter le banlieue, qu'est-ce que vous avez visité encore Nous avons vu la terre. Euh, qui ont un nouveau projet euh, de développement qui fait partie du PSE euh, du président de la République. Ça aussi, il faut le dire. Parce que le transport, n'oubliez pas, c'est un facteur de développement. Si on va vite et revenir vite, n'oubliez pas le logo de Dakar Demdik. Et si le Demdik est facile, on peut dire qu'on peut générer beaucoup de bénéfices. Et donc, nous l'avons visité. Nous avons visité aussi la ville de Dakar parce qu'on est, allé, on est allé au monument de la Nation. Nous sommes repassés par la ville. Nous avons fait Pas-de-Bois, nous avons fait le parc Anne, qui est aussi un des piliers touristiques du Sénégal. Il me semble que visiter le stade d'Abdoulaye à Oui, nous avons dépêché quelques élèves qui sont partis euh, euh, suivre le match. Tout le monde ne pouvait pas aller, mais il y a quelques élèves qui étaient partis. Et, c'est prévu aussi, une, prochaine visite est prévue pour que les autres qui n'étaient pas là-bas, d'aller visiter ces stades. Et comment vous avez trouvé le match bon, c'était, on ne s'attendait pas à cette victoire parce que n'oubliez pas que les Égyptiens nous avaient menacés. Euh, mais alors, c'était donc, euh, quand nous avons gagné, nous avons ziblé ici, vous avez vu, là, ça là, tout le monde était content. Et c'est comme si on était à l'estade, hein, parce que nous avions un, écran plat, euh, très grand écran, avec qui nous avons regardé avec les élèves, donc au moment de communion. Et je peux dire que même la Coupe du Monde, si on ne fait pas attention, on va la suivre ici parce que c'est durant au mois de décembre. Donc il se peut que aussi euh, durant ce décembre, qu'il y ait des fêtes de Noël, qu'on se retrouve ici dans cette école et suivre la finale aussi. Il me semble que nous avons vu votre mère ici. Oui, le maire est là parce que vous savez très bien, c'est les enfants de sa ville qui sont déplacés. Et le maire doit être proche de sa population. Il nous a dit qu'à chaque fois là où vous êtes, si je suis à Dakar, je vais trouver la population de mon endroit. Parce que ce sont mes enfants, certes, il y, a, mes fils, il y a mes petits-fils, il y a mes neveux, il y a mes nièces. Et donc pourquoi pas, là où le Canel est, j'y serai. Il est là, même il est prévu aussi, le directeur de Dalal lui aussi, on l'attend ici, qui est fils, qui est natif de Canel. Ouais. ndaxte dañuy wax ku jàng rek da ngay trouver ku tukki aussi da ngay xam tukki ak liir benn la parce que on nous dit qui voyage lii qui lit voyage donc lire égale voyage et voyager donc égale à lire maa ngi ñaax ñëpp njàng mi du ci kaye rek soo jàngee laaj na nga dem xool yëf yi ngay jàng naka la bindu parce que yëpp ne Ndakaaru rek ci kayit ne Lac Rose rek ci kayit lay doyul léegi xale yi ji nga bañ demee bañ àggee ca Lac bari ñun lu ñu doon dégg Lac Rose ma ne Lac bi rosul boo ko soree lay rose yu ñu doon jéng ay miracle yi gis nañ nekk suñ demee contact direct dañ leen doon wax diggante Lac bi ak géej gi yàlla def ñu dem nag samp fa diggante Lac bi ak géej gi ñu gis ne climat bi ñu fa melee donc man maa ngi ñax képp ku nekk ci biti

bu leen fàtte immeuble yi ngeen fa yor yor nañ ko on n'est pas venu visiter les villes hein. on a laissé des immeubles on a laissé des R plus 4 on a laissé pas mal de milliardaires et moi si si Dakar mënoo gis milliardaires mais au fond tu vois des milliardaires donc nous pourquoi pas ñu nekk ci milieu bi pour xam ne lii banlieue bi pour ñu xam ne dund dund mais li fa ne kër yi karo yi immeuble yi moom lañ bàyyi Fuuta immeuble boo fa gis borom nga Fuuta donc de ce fait nous pour dem biir Ndakaaru mais xam nañ te que nga xale bu ñii bu ñu leen Fuuta la doo ko gëm ñu ngi nii Fuuta lañ de man dama à part Dakar toutes les ressources régions se valent Dakar réew yi fa nek mais juste yëpp a yem man da loolu laa amoon di wax donc nañ ñaax xalé yi ñu dem di découvrir maa ngi tudd Abdoulaye Danwaxa day def classe yu terminale bu canel plus précisément école privée bu CPK voilà. tay ñu ñëw gis leen fi ci Dakar yëmbal. Mm-hmm. tax ngeen ñëw fii. bon dañ fi ñëwoon juste pour euh, visite ben sortie pédagogique bu CPK organisé wa ñëwoon Dakar pour def ben visite bo xamanteni ni ni voilà quoi entre élèves.

ak euh, laboratoire bu ñu demoon fii démb démb. Euh, bon maa ngi tëjee ci remercier waa école bi nga xamante ni ñoom ñoo ñu dalal dalal boo xamante ni amu amuñu ci benn coono daal waa yombalal leen ñu ko accueillir leen ñu bu baax dara manqué wu ñu voilà mhm. euh, bon kontaan ci torop nag kontaan ci torop lii day wane ni que. dox na quoi day wane ni ko bëgg na mbokk aussi voilà diko remercier bu baax diko ko diko ñaanal aussi lu mbëgg yalla yalla moko xam yalla na yalla yàlla defal quoi en fait may ko gudd fan ak wër aussi voilà. bonjour monsieur le maire. bonjour. nous avons le plaisir de vous retrouver ici à Dakar. oui dans le maire de Kanel aujourd'hui vous avez venu euh, euh retrouver mon fils de Kanel. Mm-hmm. euh, pourquoi. Ben, je suis venu c'est parce que d'abord je suis Kanelois et en même temps. Euh, je suis le maire de Canel, donc euh, tout ce qui touche Canel de près ou de loin m'intéresse au, plus haut degré. Il paraît que vous accompagnez l'éducation à L'éducation constitue l'une de mes priorités. L'éducation et la santé constituent nos deux priorités à Canel, puisque nous savons, nous, que l'éducation est à la base de toute réussite. Quand euh, nous voyons que nos pays s'appellent des pays et eh, pauvres aujourd'hui, c'est parce que le sous-développement d'abord, c'est la sous-éducation, si je peux m'exprimer ainsi, ou, la sous-formation. Donc c'est l'éducation et la formation, donc la matière grise qui peuvent développer un pays, pas seulement eh, les matières premières. Euh, donc nous disons que nous devons miser beaucoup sur l'éducation, sur la formation de nos jeunes pour que nos pays puissent se développer demain. Qu'est-ce que vous ressentez de, revoir ici vos enfants ah, c'est un plaisir, c'est un plaisir de revoir euh, <clears throat> mes nièces, de revoir euh, mes neveux, de revoir euh, mes enfants. cela prouve aussi qu'eux aussi, ils sont intéressés à la chose, puisque quitter depuis le Fouta, venir à Dakar, est, un signe encourageant. C'est un signe encourageant dans la mesure euh, ce qu'ils verront ici pourront les éveiller d'une certaine manière, voir euh, les échanges. C'est très important entre les grandes villes et les moyennes villes ou les petites villes ou le monde euh, rural. Et en même temps, ça pourrait aussi, leur visite, je pense que le, le, premier objectif, tous à la à l'éducation, à la formation, et, voir quelles sont les méthodes appliquées, voir leurs collègues de Dakar. C'est important, c'est important. De par, de par le, directeur de Canel, il paraît que vous êtes incontournable à Cannelle. Non, je ne dirais pas incontournable. Incontournable dans la mesure où aujourd'hui je suis le premier magistrat de la ville de Canel. Je pense que euh, les Canelois, que je salue au passage, m'ont fait un grand honneur. Euh, en mélissant comme maire euh, confortablement. Alors, euh, quand on dit incontournable, ça veut dire que tout ce qui touche Canel doit m'intéresser. Voilà. Et actuellement, pour entrer un peu dans la politique, comment vous voyez l'état du Sénégal, surtout à Canel, les projets, les, réalisations à Canel oui, je pense que quand euh, vous parlez de Canel et que vous parlez peut-être euh, de l'État du Sénégal, l'État du Sénégal je, est, un État qui est sur la bonne voie, en plein ressort. Euh, un État qui aspire à l'émergence et qui est sur la bonne voie d'après tout ce que nous voyons, les signaux sont tous, si vous voulez, au vert. Quand nous voyons les réalisations que le président, son excellence le président Macky Sall a réalisées dans ce pays-là, dans les infrastructures, dans l'éducation, surtout euh, ce qu'il connaît plus que nous tous, l'importance de l'éducation dans un pays. donc on peut dire que nous sommes sur la bonne voie. Et, pour Canel, pour Canel euh, nous avons trouvé quand même euh, une mairie ou une commune en difficulté, il faut le dire. En difficulté dans la mesure où toutes les structures euh, sont délabrés. Euh, je ne parle pas de la guerre routière, des marchés, stade municipal, la mairie elle-même, les écoles, tout est à faire ou à refaire. D'où le grand défi qui nous attend. Euh, nous sommes sur les parrainages et bientôt les élections législatives. Est-ce que vous vous préparez davantage ah, nous avons déjà commencé nous, et terminé presque notre quota. Votre relation avec les habitants de, Canel ah, Elles sont tout bon fixes bon Il faut dire aussi que nous venons de commencer. Euh, d'abord, quand euh, vous êtes élu, c'est parce que les gens ont espoir et qu'ils ont une considération pour vous. ces sentiments sont partagés. J'aime Canel et les Canelois. Merci beaucoup, M. en voilà, chers téléspectateurs, comme nous l'avons dit, après avoir fait des interviews avec la maire, avec le directeur, avec les élèves et autres, aujourd'hui, je dama leen di jox rek ñu la cérémonie officielle comment on va vous faire montrer vivre le spectacle de la cérémonie officielle bientôt Djidji en live là, leen koy jox one love à vous. Sadio Diallo donc maire de Canel, à monsieur Ndiaga Diaw maire de la commune de Yombol Nord, M. Abdou Sek, maire de la commune de Yombol Nord, M. Abdou Sey, maire de la commune de Yombol Nord, et M. Sam, Dr Sam Daf, directeur de l'hôpital d'Alal Djam. Chers élèves, chers parents et honorables invités, c'est avec joie que nous vous recevons ici à l'école privée Blaise Pascal suite à ces journées que, les deux établissements ont organisées. Donc ces immolages qui ont été fructifs avec beaucoup de sorties, de voyages, que les élèves ont apprécié en tout cas des deux côtés. Donc voilà, nous sommes réjouis en tout cas, nous nous réjouissons en tout cas d'être là. Donc ces journées tirent à sa fin et on aimerait certes qu'elles se poursuivent jusqu'à la fête de Corité, si possible, en célébrant bien sûr les fêtes de Pâques, parce que vous savez que nous vivons aussi dans une localité où la communauté catholique est très présente. Voilà, nous partageons tous les événements, en tout cas ensemble. Voilà, donc pour vous dire tout simplement que c'est avec joie et beaucoup de fierté que nous vous recevons, vous tous ici, donc toute délégation confondue, donc dans les locaux de l'établissement Blaise Pascal, donc en remerciant aussi l'implication du corps administratif, donc les enseignants et tous les professeurs en tout cas qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ces journées. Donc c'était des mots de bienvenue en tout cas. Donc il y a le délégué de, de quartier qui, y avait qui a tout, tout à l'heure un empêchement et qui est parti. Donc il va nous rejoindre tout de suite. Voilà, donc on vous laisse continuer la cérémonie avec d'autres allocutions. Merci bonjour à tout le monde. Bonjour également aux professeurs du collège privé Blaise Pascal. Bonjour à M. le maire de Canal. Bonjour également à M. le maire de Bonjour aussi à M. le maire Bonjour au délégué de quartier. Bonjour aussi à toute l'administration. Donc nous je vous aujourd'hui en tant que secrétaire exécutif du CES du sanitaire de Donc nous voulons d'abord participer à cette communion qui sert aujourd'hui une journée de jumelage entre collèges privé Blaise Pascal de et le collège privé Blaise Pascal de Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très contents de continuer à cette journée, d'y assister à tant que d'abord fils de et aussi en tant que représentant du système sanitaire de Yémen. Bon, je vous souhaite très bien pour la remercier vivement, monsieur le directeur, Je remercie aussi l'ensemble du corps pastoral, mais une que cette cérémonie de journalage va contribuer sans doute à l'évolution ou au développement de l'établissement, mais Dieu aussi que, en tant que représentant du district sanitaire de Yémen bon, justement, je suis revenu d'ailleurs par rapport à, une collaboration une prestation de services sur le plan médical. On tout cas, signer une convention, on l'espère bien, avec l'école pour que l'administration tout entière puisse bénéficier des soins avec euh, le centre de santé des l'école. Parce que je parle sur le aussi du directeur général de l'hôpital de la Gamme, à qui nous souhaitons la bienvenue ici aujourd'hui Et puis justement, enfin contribuer à cette effort de l'éducation, donc nous venons justement de se préparer pour une génération, en tout cas pour le développement du pays, et particulièrement pour euh, celui de Yégon et du département nouvellement installé de Pérossar. Aujourd'hui aussi, en tant qu'agent gouvernement de Yégon Nord, je suis accompagné de mes deux patrons, qui sont directeurs le premier agent au gouvernement de et Nord, et Abdoussi, de le CD prochain Gobert et l'Ordre, Bon, on se sent vraiment porté un jour de contribuer en tout cas à l'effort de libération. Parce que quand je vois mon jeune frère, docteur Ibrahim Naou, et là le jeune frère aussi de Pape en tant que directeur général de cet établissement, au vu des efforts qu'il a fournis, en tout cas, avec lui, on a eu la cheminée ensemble pour le compte du collectif des élèves étudiants, président Aïe notre collectif, j'ai été le la pendant de 4 ans. Et si j'ai eu à même dans les efforts de l'éducation, en cas, de révolutionner un de l'éducation au niveau de la commune. On sait tous que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de difficultés dans ce domaine. Donc, si toutefois il y a un professeur, dans ce sens, il y a plus pris l'initiative d'un entrepreneur plus un établissement appelé collège privé Blaise Pascal, qui aujourd'hui est en communion avec celui de Canel, sous stade de le Maire de Canel, pour qui nous remercions vivement pour ce déplacement, au combien symbolique, avec toute sa délégation. En tout cas, je remercie tout le monde, hein. l'ensemble des élèves et étudiants, en tout cas qui contribuent aux efforts de l'éducation au niveau de la commune. J'ai dirais aussi que j'ai aperçu deux voyageurs, avec qui je travaille dans le district qui sont ici présentement Badioro Thioro et ma très chère Badioro aussi vont à qui nous remercions vivement de leurs efforts fournis pour le compte de l'éducation mais aussi pour le compte de la santé au niveau du district quand on parle de district le district n'appartient pas à l'école. c'est un district qui dans l'arrondissement de l'école. donc le district entre l'ensemble des postes de santé y compris les sur surtout comme l'École Nord. Donc tous les responsables de Yégo Sud et tous les responsables de l'École Nord font partie du circuit sanitaire de Yégo. Aujourd'hui aussi, si on voit les de locaux contribuer dans l'effort de santé publique, mais aussi contribuer dans l'effort de l'éducation, on a besoin que s'en réjouir davantage et dire très bonne continuation à tout le monde, très bonne continuation aussi à notre très cher frère il y a plus initiative en dehors de cet établissement. Et nous allons aussi être les gens qui vont orienter, en tout cas les élèves, et contribuer quand même, à la révolution, ou en tout cas à l'évolution de l'établissement au niveau de cette commune. On espère bien que l'école va connaître un essor beaucoup plus positif, en tout cas dans le sens de la contribution de la commune. merci pour ça, M. Pablo, et merci pour le de bonne précision que le district appartient à l'arrondissement de Djokol. Très bien. Alors, sans tarder, nous allons donner la parole au président du gouvernement scolaire de Blaise Pascal pour ce monde vieux et après tous, nous donnerons la parole à M. le maire de Calais, puisqu'il a double domination. Merci, monsieur

Merci pour votre présence et pour le spécialement réservé à nos présidents qui ont fait l'honneur de nous donner le carré dans la région de Manal. Nous sommes présents ici dans le cadre du management de collège d'excellence privé des responsables et des privés des carrés. Le moment est parfaitement choisi pour jumeler nos deux établissements qui cette semaine est celle de la jeunesse. Par conséquent, de moi et vous, je saisis cette occasion pour vous proposer une qui constituent le régal de Chers camarades, je vous appelle pour aider. la persévérance, l'abnégation, l'endurance, l'amour de la patrie, l'échange, l'ouverture et de cela nous notre pays a besoin. Nous considérons que c'est notre Je vous appelle aussi pour le travail. Tel que l'a été notre interprétation de l'État à en disant que il faut travailler, faut travailler, toujours travailler et encore travailler. Merci pour votre Merci, Monsieur le Président. Il nous invite au travail il faut encore beaucoup travailler. Merci. je vais commencer d'abord mon discours euh, pour vous saluer, vous tous, chacun à ses rangs et qualités. Mais saluer d'abord euh, M. le maire et ses adjoints, M. le maire de Yombol et ses adjoints. Saluer toute la délégation qui les accompagne saluer aussi l'arrivée de mon jeune frère, le directeur de sa un jeune aussi qui a beaucoup fait pour Canel. Nous comptons aussi sur lui pour faire pas mal de choses dans Canel. J'en suis convaincu. Alors, remercier les deux directeurs des deux structures, les encourager vraiment, saluer les élèves qui sont venus de Canel et ceux qu'ils ont trouvés ici à Yombol euh, magnifier cette action de vouloir jumeler les deux collèges. Euh, alors, jumeler les deux collèges, ça veut dire quoi C'est un échange qui peut être éducatif, culturel, et pas mal de choses que vous devez échanger. Nous vous encourageons dans ce sens-là et vous dire, vous, les élèves de l'excellence, de l'école de l'excellence de Yombol, que Canel aussi vous attend. Il faudrait peut-être qu'on fasse le parcours inversement. Il faudrait que vous alliez visiter Canel avec euh, ses belles ruelles et, son charme. Et son charme, voilà. Monsieur le directeur, nous vous saluons. Euh, vous connaissez bien Canel. Je sais que vous en avez pas mal parlé à vos élèves. Donc, euh, ils seront ravis de venir à Canel, j'en suis certain. Bon, je m'excuse de prendre la parole aussitôt, puisqu'il était prévu que je reste jusqu'à la fin. Mais malheureusement, comme on m'avait indiqué que le rendez-vous c'était à 10 heures, ah, ayant un autre rendez-vous à 16 h je me suis dit que je pourrais peut-être me faufiler entre les deux temps pour pouvoir honorer les deux engagements. Bon, compte tenu de la situation de Dakar, vous connaissez tous les embouteillages, je dois vous quitter avec un peu de regret que j'aurais bien voulu rester jusqu'à la fin. Maintenant, euh, je sais qu'il y a des jeunes frères ici qui peuvent euh, continuer le travail avec nous. En tout cas, nous vous félicitons, vous encourageons et euh, nous demandons aux jeunes, comme je l'ai dit tantôt, à la rencontre avec les jeunes de Canel, l'instruction est la base et à la fin de tout progrès. Si nous voulons nous développer, si nous devons nous élever, il va falloir que nous éduquions nos jeunes. Vous avez eu la chance, vous, vos parents vous avez mis dans de bonnes conditions, je ne veux pas dire d'excellentes, mais bonnes conditions pour pouvoir étudier. Alors, vous aussi, rendez-leur la pièce de leur monnaie, c'est-à-dire étudier, étudier et étudier. Voilà tout ce qu'on pourra vous demander. Tous mes remerciements à mon jeune frère, M. Nero, le directeur des cours privés de Canel, qui est à la fois un ami, un concitoyen et un partenaire dans pas mal de choses que je ne dirai pas ici. En tout cas, la mairie de Canel est prête à accueillir le, collège de l'excellence de Yombol et vraiment pour que les échanges puissent peut-être peut-être se développer, pourquoi pas envisager d'autres choses qui pourraient être utiles à Je vous remercie. Monsieur le maire de Canel, Mamadou Sadio Diallo, Monsieur le directeur général Hôpital Dalal Moussa Samda, Monsieur le directeur des groupes privés de Canel, Cher Omar Sow, Monsieur le directeur des études de Blaise Pascal, Michel Lam, Monsieur des professeurs et encadreurs, messieurs les surveillants et l'ensemble du personnel des cours privés de Canel, chers élèves, distingués invités, mesdames, messieurs. Nous sommes très honorés de cette invitation de haute famille dans cette prestigieuse école pour un moment de partage et de communion avec des élèves si reconnaissants. C'est en effet une occasion unique d'échanger des idées et de nouer des relations d'amitié tout en apprenant beaucoup de choses tant sur le plan professionnel amical. Soyez certains que l'ensemble des participants vous est particulièrement reconnaissant de votre part, hospitalité, votre amour du prochain, mais aussi de l'appel chaleureux réservé à notre modeste personnalité. Nous remercions à tout le personnel administratif de l'école sans les compter et sans oublier tous les enseignants qui ont contribué à la réussite de ce séjour. Finalement, mes remerciements s'adressent à tous les élèves et amis d'école, mais aussi aux membres d'encadrement qui nous ont prêté mes fonds pour une réussite totale. Merci pour la personne. Monsieur le qui Monsieur le président de la Monsieur le maire de la commune de nom, Monsieur le président de la République, euh, Monsieur le chargé de mission du DG de la Gamme, un plaisir pour moi d'être là, à Dakar, avec les 8 visites de Calémène accompagné par la personne qui conduit les questions de cette commune, j'ai commencé à et aussi accompagné d'un cadre à la santé publique, un cadre à la gestion de la santé publique qui issue des époques. Je vous nommer les personnes de la grande qui puissent le national. Si les là, c'est pas bien Et nous aussi, si nous sommes aussi à aller à l'école, c'est parce que nous aussi nous sommes fils des enseignants. On ne connaît pas l'école, on est, on est utilisé par l'argent de l'école. On est né à l'école, grandi à l'école, et présentement je enseignants de tout. Je ne connais pas l'école. Alors, il faut magnifier ces jours. Il faut aussi magnifier ces jour-là entre ces deux groupes. Et cela, c'est grâce à ce crédillon, je me rappelle, j'ai lancé le crédillon de cette commune, qui a commencé la carrière, qui a laissé le père dans le place, parce qu'il a formé des scientifiques, ils sont pas enfants, il a formé des médecins, des professeurs de mathématiques, euh, pas mal de personnes de S'ils ont aimé la science, c'est grâce à lui. Et même si la commune de Dieu, ils l'ont qui ils ont accueilli, et remercier aussi les autorités territoriales. Oui, aujourd'hui, c'est le 31 chargé. Vous avez vu le maire qui dit que le 31 est Mais vous n'avez ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Nous devons les écoles privées qui se trouvent dans un milieu rural. Et les écoles privées dans le milieu rural, ce ne sont pas des privés d'excellence. Mais nous devons avec réticence pour avoir la qualité. Et ça avoir à quoi À l'abnégation des publiques à l'intégration de la population. N'oubliez pas que l'école est un système. Et qui dit système parle de l'ensemble des éléments liés. Si un élément ne fonctionne pas, l'autre élément ne pourra pas fonctionner. Et ce système, c'est les parents Et ce système, c'est les individuels. Et ce système, c'est les élèves. Et ce système, c'est les partenaires. Nous, sur sommes, nous avons très bons à vous Lui aussi, et le maire. Nous voici là, cette journée. Nous voici les aux élèves, au là le jour. Mais en plus que homme est de l'école, il est Quand il a dit il s'est voyagé. Mais quand on parce que quand on est au qu'est-ce que les C'est ça la On vous à distance Et c'est que vous aujourd'hui,

protégeur et des juges et rien n'est possible. Il suffit de l'argument. Ici, aussi, vous voyez, on presse, on appelle Dr. Samuel Bizi. Il est issu de l'école Il est dédié. Vous voyez le qui est là Il suffit de parler de son passé scolaire à Yumul. Et nous avons choisi Yumul. Parce que notre premier partenaire, c'est la Fémoussa. Yumul répond pas par le cadre. Ça veut dire ayyukan CEO wanda na kusa sarari arewacin sauri a yau wani ọ̀rọ̀ àgbà pàṣípà fún eégún fún bẹ́sẹ̀ wáyé tí wọ́n lọ fi ní ayé wọn. Dàgbọ́n eégún fún mọ ọmọ sẹ́yà wẹ̀ bẹ́sẹ̀ ní ayé wọn. Ẹ tí wọ́n ní ayé ní ayé wọn ti ní wẹ́n wá sí ètò ìṣú kìlá ṣèṣe ṣe fi gbọ́mọ ní bàálù méjì bàálù yìí ẹ̀mú sí ìtọ́jú sí sàǹdà. pour la réalisation de cette bibliothèque en partenariat avec public. Parce que quand nous avons visité la bibliothèque et quand nous avons parlé de l'histoire de cette bibliothèque et lié aussi à la formation, à l'accompagnement, ils étaient très contents. Et vous, vous êtes jeunes, vous avez. parce que le PSP dans le président parle, il a Il a rénové le poste de santé de la Il faut l'applaudir, il le pousse. Et lui, il a rénové 5 considération politique depuis le gaz de la famille parce qu'il dit Canel m'a vie pas là. Canel, lui ne me parle pas. Canel, l'ensemble ne me parle pas. Je vais appuyer le secteur de la santé. Et aujourd'hui, il a vu l'éducation. Il faut le mentionner, il faut aussi l'applaudir. Et vous devez aussi ces étudiants qui à accompagnent. Parmi ces étudiants, il y a des gens qui viennent de, qui viennent de cet état. Et ces étudiants qui aiment le fait que nous accompagnons. Et vraiment, nous sommes spécialistes. Et nous pouvons pensez à vous études, persévérez, vous n'avez pas vous attendre pour l'annonce. Moi, je dis que nous ne sommes pas venus pour visiter les États, nous avons laissé les États nous avons laissé les états, nous ne sommes pas venus pour visiter, c'est juste, nous sommes venus à du Et ça, pour ça aussi, il le savoir. Pour les états qui sont là, laissez l'annonce passer à vos Merci, je vous remercie de la place. monsieur le directeur des groupes privés Khalil Mansour, monsieur le directeur des groupes privés Black Pascal, monsieur Daoui, monsieur le directeur de la Diao, monsieur Sandam. Monsieur le président et l'ensemble du personnel et du comité de Canel, ses élèves et des invités. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir d'être ici dans le cadre ce jumelage inédit. C'est un sentiment de joie, mais d'une grande satisfaction qui m'aime à cet instant. Je ne suis pas parti puisque je n'étais pas programmé pour prendre la parole et là je suis obligé quand même d'improviser en effet j'accepte simplement l'honneur de mes camarades pour prendre la parole mais à vrai notre président avec ce tout dit donc je vais tout simplement joindre mes paroles à celles d'Alpha Soumaré notre cher président pour vous manifester mes, mes satisfactions mes remerciements mes si surtout mes sincères remerciements en tant que coordinateur. Je vous invite, camarades, à ce que nous mettions au travail, car ce travail travail qui magnifique l'homme. Je vous invite également, très chers camarades élèves, à ce que nous mettions au sérieux dans nos que Nous sommes les pays de ce pays dans le monde du c'est quoi Pourquoi Le savoir éclaire les chemins et nous de l'ignorance certaine. L'attribution des connaissances demande beaucoup de sacrifices, mais cela vaut la peine car le salut de l'homme se trouve dans ses connaissances. On vient du pouvoir, chercher la présence partout, même en Chine. Je termine mon émission en remerciant particulièrement Monsieur Lowe. Merci de votre prestation. Monsieur, je ne m'étais pas préparé à prendre la parole, mais l'honneur ne se refusant pas, je me fais le devoir donc de placer quelques mots. Euh, monsieur le maire de Yembel, et ses collaborateurs, Monsieur le maire de Canel, euh, Mamadou Sadio Diallo, qui vient pour des raisons de contraintes de calendrier, qui vient de nous quitter. je sais que c'est un nouveau challenge que vous avez dans vos mairies respectives. Donc je profite de cette revue pour vous souhaiter en tout cas beaucoup de réussite, beaucoup de succès dans vos nouvelles fonctions. Parce que certainement, les populations qui nous ont élus attendent beaucoup de vous. Nous comprenons que les demandes et l'attente est très grande, mais souvent les moyens font défaut. Ça aussi, il faut que les populations le comprennent. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'entre les maires, c'est d'être à côté de sa population, d'être proche de sa population, comprendre les préoccupations des populations et essayer d'y apporter des solutions. Ceci étant, Monsieur le directeur des cours privés, Blaise Pascal, Monsieur le directeur des, cours privés de Canel, Mesdames les Badjenougom, chers élèves des cours privés Blaise Pascal et des cours privés de Canel. Bonjour à tous. Je sais que vous le savez mieux que moi, mais juste un rappel. Le jumelage est juste un processus de rapprochement physique ou administratif entre deux entités complémentaires ou identiques. Identique vous l'êtes parce que vous êtes des cours privés. Identique vous l'êtes parce que vous avez des jeunes avec vous mais complémentaire, vous devez être, parce que simplement, vous êtes en réalité issus, certains de Dakar, d'autres de Canel, et la culture à la limite dans la banlieue dakaroise et certainement à Canel est à peu près la même. Et par conséquent, vous avez bien choisi un peu votre style de jumelage. Je dois dire à l'endroit de ces jeunes que la seule chose qui compte dans cette vie, c'est accepter de s'instruire. Attention, être intellectuel et être instruit aussi n'est pas la même chose. Ce qui est important, c'est d'avoir d'être un intellectuel, parce qu'en réalité, au-delà de ce que vous apprenez, apprendre à vivre ensemble également extrêmement important. Donc véritablement, Monsieur le maire, je ne veux pas être trop prolixe. Hein je vous remercie de nous avoir accueillis ici hein, à Yébel, que nous découvrons également, au même titre que les élèves. On a beaucoup de parents qui sont ici, mais rarement on met les pieds ici, mais c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous découvrons cette belle commune de Yembel. Et au même titre que ces élèves, en tout cas, nous vous tendons la main. Nous sommes avec vous et restons disponibles là où aujourd'hui nous sommes à l'hôpital d'Alaldam. Nous sommes de la banlieue. L'hôpital d'Alaldam est dans la banlieue et par conséquent, nous pouvons beaucoup apporter également à tous les centres de santé tous les postes de santé également qui sont dans votre commune et nous vous ouvrons peu les bras parce qu'il faut qu'on ait une approche système approche système approche territoire et donc le territoire de la banlieue c'est jusqu'à Guédiawaye et pour ça nous sommes prêts également à appuyer un peu tout ce qui tourne comme santé autour justement de de de la banlieue Au jeune de Canel également je vous souhaite un bon retour et je pense que nous aurons également d'autres chantiers à développer ensemble à Canel et véritablement, je remercie les, monsieur le directeur de, de l'école Blaise Pascal et monsieur le directeur de, du CPK de Canel, justement pour cette heureuse initiative. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'est Mourou Diapo. Je suis le secrétaire général du des élèves étudiants D'abord, je commence euh, par saluer, comme vous tenez, présent, à savoir les affaires de la commune de Nord salutations aussi au maire de la commune de Cameroun qui, vient de nous quitter. Et aussi le directeur de la de la est présent, je salue. Je salue également le directeur de l'école privée du ici présent. Mais aussi l'essentiel, euh, euh, salutations à monsieur le directeur, euh, monsieur Daou. Voilà, c'est toujours un plaisir de voir des élèves, des étudiants qui viennent d'autres régions ici à, à donc on vous dit, on souhaite la bienvenue ici. Et on espère bien que votre séjour ici à Yemen fut une grande, partie de plaisir, mais aussi une partie qui vous a permis d'apprendre beaucoup de choses ici à Yemen, mais aussi de découvrir l'ensemble de la globalité. On dit que souvent, euh, les jumelages, ça permet de rapprocher souvent euh, des entités, que ce soit physique et administratif Et je pense qu'aujourd'hui, ça c'est un début. Et je pense que dans l'année prochaine, bien les jeunes à venir, Inch'Allah, l'école de Pascal se déplacera avec nous pour aller assister, Inch'Allah, une cause de menace à la Voilà, dites-moi que vous êtes va tenir compte que Yembol se déplace pour aller à Canel. C'est un plaisir pour nous et le politique de voir ça. Voir les élèves et les étudiants s'épanouir en dehors des quatre murs, c'est quelque chose qui mérite, d'être fait souvent. Aujourd'hui, à l'occasion de la quinzaine euh, de la jeunesse, nous l'avons fait ici à Yemen. L'année prochaine, Inch'Allah, ce sera à Kanem. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose, et parler Ndao peut en être témoin, témoin. Blaise Pascal, aujourd'hui, a fait des choses ici vraiment merveilleuses à Yemen. Ils viennent d'ouvrir le port, et pourtant, ils ont pu offrir aux Yémen des bourses scolaires. Ici, dans cet établissement, nous avons des élèves qui assistent les cours gratuitement. Et franchement, cet acte de noblesse nous va, nous tout droit au cœur de nos des élèves qui viennent de Et nous sommes sincèrement, les qui vous disent merci pour cet acte noble. Ce n'est pas facile de le faire et vous l'avez pourtant réussi. Et on souhaite que le partenariat entre l'école d'Est Pascal et le collectif puisse continuer. Et sans doute, J'espère très bien qu'avec l'appui sans doute de, nos, euh, de la municipalité, nous allons essayer de réussir la grande, la grande jumelage que je vais dire. Parce que Yimbol va se déplacer, Inch'Allah, à Canel, et on va réussir ça. Ah, merci beaucoup à tous les Canelois qui sont venus ici. Voilà, je vais regarder fois. merci beaucoup. Je m'appelle et d'aller les mêmes je ak kaneen benn la ndax yëmbal yombal la yombal tey même ku alpulaar sax bu ñu wax yëmbal yembal lay wax yembal yembal moo jëm yembal macha allah mu nekk dëkk boo xam ne dëkk cosaan la dëkk boo xam ne dëkk bu am xolal la mu nekk dëkku lébu aussi xam ne pratiquement gisoo leen ay lébu mais lébu yi léegi lébu mooy tey sachet par les alpulaar parce que xam nga alpulaar yëpp bëgg kër ñoom bu ñu ñëwee du ñu luwee dañuy ñëw rek jënd kër gi des fois nga gis kenn ku ñëw sax jël boutique si buntu kër gi mais day bëgg a après jënd kër gi quoi macha allah ñu ngeen di tàcc ci loolu baax a baax ay ay nañu baax lañu ñu am jom. gis nañ tam xale yi bi ngeen ñëwee ba léegi gis nañ li ngeen fi nekk vous êtes vraiment correct très correct macha allah loolu je tiens à le euh, témoigner ñu nekk ñu correct ñu respectueux ah vraiment ñu respecté seen bopp am fulla am fayda ba pare waxtu julli dina la waxtu julli. du leen raw heure bu waxtu julli jotee xale yi julli macha allah loolu aussi nga ji lu jar témoigné la mais xam nga man séeréer laa Diouf laa sant donc alpulaar yi samay kàlla c' est que Dakar rek Dakar ngay kàlla sax parfois muy mer quoi mais àll bi da ngay gis maanaam dans les villages da ngay gis benn pas bu toog benn xale alpulaar bu bu toog wax ko wax bu garaaw loo xam ne tey boo ma waxoon sa borom Dakar la mer mais loolu cousinage moo koy donc loolu lu ñu war a culture la lu ñu war a sàmm la te tey jii boo xoolee palais a bi ay kàll ñoo fa nekk parce que son excellence monsieur le président Macky Sall alpulaar la soxna nekk séeréer ñoom ñaar dañuy kalante des fois madame euh, madame tegal ko añ Macky commencé nag mën na ko yow yàkkamti nga ma lay subir loolu xaar ku ñuy ñëw des fois madame aussi Macky toog ko kon loolu mooy Sénégal muy présidence à présidente bi man nag ma jàngee daara ci daara alpulaar sëriñ bu alaaji góor gi Modou Sy man fa laa doon jàngee góor gi góor gu baax na nga koo jàngale mais un jour fa fekk ak ñaari ay bool yu mag benn bool bi ginaar la ci def fees ginaar ba fees débordé nag ay ay ay ay ay ay euh, ay frites xam nga ay def ci waa ay yu neex daal waaw yu neex daal dañoo daan woor ñu beneen bool bi ñu def ci dëxin dëxin xam ngeen mbaxal mbaxal beneen bool bi mbaxal de box seize sëñ bi woo ñu ne eh eh noonu eh jaaraam di sant yàlla jul ci yonente bi sant suñu ñaari waajur di wax ne teraanga ñëw na tey ci daara ji teraanga nag bu chaque jour lay ñëw nañ wax alhamdulilah ñu dem na alhamdulilah mu ne ñaari bool lay fay te yéen lu ngeen am bokk ngeen ko ak man man lu mu am boobu laa ko addiyee kon ñaari boolee ngi nii booli bii mbaxal moo si nekk bii ginaar moo si nekk ñi bëgg mbaxal booli mbaxal baa ngi nii ñi bëgg ginaar booli mbaxal baa ngi nii léegi ngeen boole ginaar bu si biir léegi dëgg bi noonu la ñu jox ginaar yi ñëw ñu bu lay wax ne Abdoulaye ñoo séeréer mooy loolu alxuraan ñetti taalibe takk nañu alxuraan parce que man séeréer la mu neex naa doon. alxuraan bi daañu ñëw di jàng anglais maître bi expliqué nee na anglais amul A anglais A yo A amul A A B C dama xam ne ah mu bind. moom bu jàng premier cours beneen semaine bi ñëw maître bi ñëw taxaw ci biir classe bi ne how are you na am fine moo ko ne ko kaay ñëw au tableau. ne ko what's your name mu ne ko my name is Mamadou Be <laughs> Mamadou Ba la tudd Mamadou Ba mu ne ko my name is Mamadou Be ndax <laughs> dañ mën a ah amul si eh, mu ne ko my name is Mamadou Be un jour ñëw naa ñëw naa dalal jàmm di seet si monsieur Daf dajeeg beneen pël muy laajte donc naa ma ne kër Diallo si laay laajte kër Diallo si waaye def na fa deux heures de temps di laajte kër Diallo Sy mais kenn xamul fa mooy kër Diallo Sy nekkee cardiologie lay laajte cardiologie non kër Diallo Sy laa jëm kër Diallo Sy kër Diallo Sy léegi nag xam nga toog séeréer yi malaan séeréer war ma bàyyi leen malaan séeréer bi ay séeréer bi moo ñëw Dakar pour la première fois ngóor la tur ngóor daa ñëw Dakar ne cëpp rek dugg ci oto oto bi ñëw ba poste Thiaroye romb ko jëm ko lay jàmm gën première doodaan oto bi daa yéen doodaan rek sa waay wàcc oto bi rek départ di daw di daw gars yi di ko dàq ñi muy daw ñu koy dàq ñi muy daw daw ba ne dugg ñaar laa ñaar rek toog ah ay léegi muy sama def oo oh, wala mu ci naan muy yàgg gars yi nga koy góor yow xanaa dem woon Dakar mu ne laay leen la Dakar kay kay na sax nekk Dakar ku fa dee ci tali bi lañ lay suul moom doodaan ay bàmmeel la ko wax mu nekk Dakar ku fa dee ci tali bi lañ lay suul

yóbbu leen stade parce que ba ñu ñëw dafa tombé le 29 bi bisu match Sénégal Égypte bi voilà dem gis ambiance stade ak nu mu méttee sant yàlla jotoon nañ yóbbu quelques élèves ñu nga xamante ni tànneel lañ jugee ñoo mën a assister si match boobu ah, kon si jugee dem nañ monument de la renaissance visiter lieux yi dem tamit si parc bi. jël terre bi nga xamante ne découverte la ñu ngi si fii si yëmbal def nañ benn sortie récréative tamit boo xamante ni en même temps sortie pédagogique laa ko mën a woowee parce que Lac Rose leen def donc visiter lac bi ak yeneen bërëb voilà. on revient un peu sur sur sur sur l' école nan ngeen di dundee études ak élèves yi ak euh, les professeurs. voilà. maintenant ñu le collège d'excellence Blaise Pascal au niveau établissement bu niveau boobu mooy 2021 la démarré l'activité. mais je dirais que c'est une école qui compte énormément d'années d'expérience parce qu'il y a une équipe pédagogique très jeune voilà une équipe administrative aussi très jeune mais dynamique voilà donc nous pressions en tant que directeur mais pour nekk day def école bi ak bu mu war a am parce que xam nañ objectif école bi lan la voilà on a beaucoup investi ku ñëw dina gis investissement bi colossaux yi fi nekk donc dans un premier temps bi essayer de mettre les élèves dans de très bonnes conditions de vie pour faciliter en tout cas le réussite dans la vie. Euh, tey ban message ngay lancer les autorités de Yeumbeul. voilà donc autorités yi mënuñu lu dul accompagner école yëpp.

voilà donc comme ils participer activement au développement local, donc day baax municipalité yi ñuy accompagner nous sommes ngi siy bien que dina bëri pas mais ñu ngi siy bay seen voilà et en plus que l'école, bi dafa en collaboration avec le collectif des élèves et étudiants ressortissants résidents à Yeumbeul mhm. parce que souvent nous dañuy des élèves qui ont commencé. des fois dañuy seen école bi ñuy jàngee war na fay parents yoo xam ne difficilement dañuy gérer seen scolarité rek pour ñu recenser cas yooyu mel ni ko dañuy étudier dossier yu bëri donc insérer leen xale yi fii ñuy jàng pour ñu fay dara voilà donc lépp effort yi ñuy def la rek pour xale bi nga xamante ne war na am avenir si jàng donc ñu permettre ko ñu jàng dans de bonnes conditions pour yeneen mbokk lan ngay tëjee say kàddu. waaw di jaajëfal ñëpp rek remercier ñëpp ñi nga xamante ne participé nañ di jaajëfal aussi corps professoral bi nekk équipe administrative bi nekk di remercier aussi élèves yi seen si seen volonté à de presse parce que ñu de la banlieue di leen remercier yëpp aussi waa banlieue TV ak euh, mon ami frère. Horace Ndaw tey Horace bi nga xamante ni moom merci beaucoup.